Euh, Biotech vaccin Moderna AstraZeneca Sputnik 5 et euh, Sinopharm Sinopharm 200 000 euh, doses yi nga vaccin vaccin Johnson Johnson et vaccins vaccin Amérique des euh, waa réewu Amérique moom la ñu vacciné ben dose képp ngay jël après mu définitivement ci nga xamante ni di di coronavirus euh, Grande-Bretagne itam mom lañu utilisé Afrique du Sud tay jii mom lañu jël Sénégal itam def na commande bi ngir fexé itam ba am li nga xamante modi di euh, vaccin yoyu nek vaccin yu am am solo Ti, du jëm ci aar donc euh, alors euh, mesdames et messieurs nous sommes toujours ici à la salle des banquiers euh, donc en attendant d'avoir de voir en direct voilà vous voyez en ce moment la séquence forte de la journée le président de la République Macky Sall est en train de se faire vacciner par le général Mbeng le médecin général Mbeng qui bien sûr procède à la vaccination du président de la République qui, à l'instant, donc, euh, vient de se faire vacciner. Donc, euh, le mot est lâché. Le vaccin a bien été. Euh, euh, effectué euh, ici la vaccination du président de la République à l'instant, donc euh, ici à la salle des banquiers du palais de la République par le médecin colonel, médecin général Meng, donc qui a procédé à la vaccination du chef de l'État. Donc la cérémonie va se poursuivre naturellement ici à la salle des banquiers du palais de la République. Le président de la République va s'adresser à la nation à l'instant, juste après donc avoir été vacciné donc euh, à l'image, vous apercevez le ministre d'État Ndiaye qui est en train de se faire enrôler. Lui également euh, va se faire vacciner pour euh, bien sûr entrer dans cette vaste opération euh, de vaccination, notamment à travers ces, personnalités, le président de la République qui donne le temps de la vaccination ici euh, au Sénégal à travers justement cet acte qui est très fort, le geste donc est très très fort, l'image va faire naturellement le, le, tour du monde, cette image du président de la République en train de se faire vacciner et à l'instant il est en train d'échanger avec quelques membres du gouvernement qui sont présents ici à la salle des banquets pour être témoins euh, de cet événement exceptionnel, euh, être euh, donc en première ligne naturellement de cette vaste campagne de sensibilisation parce que l'image en tant que telle est une image parlante, c'est une image qui, qui veut dire énormément de choses. Aujourd'hui que le président de la République s'est vacciné, tous les citoyens peuvent naturellement se vacciner en attendant bien évidemment les prochaines doses de vaccins qui vont arriver